tous les dimanches de 16h à 17h écho des écoles dimanche bi 1er mars 2020 dinañ ci dalal monsieur Souleymane Fall ñu gën ko xam ci Fall Philo nous avons ak monsieur Baba Diop ñu qu'est-ce que la philosophie et comment philosopher Manam, lan moy philosophie ak naka lañuy def ngir philosopher mu ñeewal nak élèves terminal yi kon nak, à vos stylos

écho des écoles émission éducative interactive animée présentée par M. Baba Diop voilà merci de l'affaire FM 90.1 nous sommes encore de retrouver une deuxième fois pour, euh, pour participer, pour faire euh, notre émission École des écoles. Émission des des écoles reçoit aujourd'hui un éminent professeur, quelqu'un qui a fait les bouches de jours de Kaolak, quelqu'un qui a été à l'origine de la formation de beaucoup d'enfants, quelqu'un qui euh, au service dal qui a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on se rappelle de la conférence dernière où beaucoup d'élèves ont eu à se plancher sur le sujet qui était proposé au baccalauréat. Euh, aujourd'hui, je suis avec euh, Monsieur M. Fall. Monsieur Souleyman Fall, bonjour. Bonjour, Monsieur Baba Voilà, euh, avant de démarrer l'émission, on voudrait savoir quand même qui est M. Fall. Donnez-moi, s'il vous plaît, quelque chose pour que les Sénégalais et les auditeurs qui nous parlent au nom de la diaspora, je vous rappelle que euh, l'émission est connectée, depuis euh, euh Alpha FM au niveau international. Et Souleymane Fall, euh, on aimerait quand même connaître qui est sur Fall. Merci encore, Monsieur Babadjoub. Mm-hmm. bonjour à tous nos auditeurs. Mm-hmm. mais à l'entame de mon propos, je voudrais me permettre d'adresser quelques mots de remerciement, mm-hmm. d'abord à l'endroit de Al-Faïda, qui chaque année, c'est pas la première fois que j'entre dans ce studio, qui chaque année donc euh, met la radio au service de, de, l'éducation de façon beaucoup plus, plus générale. Mm-hmm. Je, je, je vous remercie particulièrement pour l'honneur que vous me faites. Je remercie M. Monsieur, monsieur Gay pour, euh, pour la disponibilité, la clairvoyance. Euh, permettez-moi aussi, disons, de saluer tous les élèves euh, je ne dirais pas seulement de Kaolak, mais du Sénégal, en particulier les candidats au baccalauréat, qui, je l'espère, vont écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de ferveur cette émission pour avoir des éléments supplémentaires pour préparer leur examen. Permettez-moi d'avoir une touche toute affective à l'endroit d'amis et, et de, la famille qui euh, s'intéressent en particulier à ce que je fais, en particulier à la philosophie. Je voudrais citer énormément des amoureux de la philosophie tels que Monsieur Monsieur Mboup de l'IA, qui ne cesse de s'informer de la philosophie au niveau local et au niveau international, Monsieur, Monsieur Mansour Khan, Monsieur Lou, euh, mon ami et frère Monsieur Lou, professeur d'anglais, euh, Monsieur Diouf aujourd'hui au Canada, et permettez-moi de citer quelques noms, Fatou, Mati, Ted, Naé, elles se reconnaîtront. Alors, vous m'aviez demandé tout à l'heure de me présenter. Je voudrais juste euh, le faire très brièvement en disant que M. Papa Souleyman Fall est un pur produit de Kaolak. Ayant fait mes humanités ici même au lycée val où j'ai étudié de la 6e jusqu'à la terminale, après mon passage à l'université et mon séjour à l'école normale supérieure, où j'ai bénéficié d'un KS, j'ai, après un court séjour au sud dans la région de Kolda, précisément à Veligara, j'ai choisi de revenir servir ma ville et de revenir dans mon lycée de cœur, le lycée val où que je sais, où je sers depuis l'année 2000, ça fait bientôt, depuis 2003, ça va bientôt 16 ans, 17 ans. Voilà, voilà merci M. Fall. Euh, comme vous l'avez dit, un clin d'œil à l'IA de Kaolak, euh, à l'IF euh, Kaolak département, l'IF Kaolak commune, au CRPE, tout ce beau monde, aux directeurs d'école, aux principaux, aux proviseurs, tous, tous les enseignants de Kaolak et nos chers élèves euh, qui sont là, qui sont les grands bénéficiaires de cette émission. Et comme vous l'avez dit tantôt, euh, on va démarrer par euh, deux sujets très importants. Et maintenant, comme on l'a dit dans le générique, à vos plumes et prenez note. En tout cas, c'est pour les élèves de la terminale. Monsieur Fall, d'abord, on va vous demander qu'est-ce que c'est que la philosophie Comme on l'a demandé, comme on l'a eu dans l'annonce, qu'est-ce que la philosophie voilà, question évidemment philosophique que vous me posez, c'est là même de savoir qu'est-ce que la philosophie. Vous savez qu'à travers cette question, on a ce qui semble même être un paradoxe. Parce qu'on est là justement pour philosopher. Quand on entre en salle de classe, on vient pour faire de la philosophie. Donc on s'attend à ce que la philosophie soit l'exposé d'un savoir philosophique, que les apprenants se contenteraient simplement de, de maîtriser et à l'occasion de restituer. C'est dire que la philosophie, en fait, n'est rien de tout cela. Elle n'est pas en tant que telle, disons, un savoir constitué. Elle est, comme dit son, son étymologie, philos, un amour de la sagesse. Qu'est-ce qu'on entend par amour de la sagesse On entend par là, brièvement, vraiment de façon très ramassée, une quête de, de savoir, une quête de connaissance. Il se trouve justement que la connaissance est multiforme, elle est illimitée dans le temps, dans l'espace et dans sa forme. Ce qui devient donc à dire que la philosophie, en réalité, embrasse, parce qu'elle est code de connaissance, tous les domaines de l'existence et du, et du savoir. Et philosopher, en, quelque sorte, c'est s'intéresser simplement à la totalité de l'univers, c'est avoir une approche intellectuelle, disons, des, des choses. Grosso modo, voilà ce qu'est la philosophie. Mais je dois dire que cette définition reste somme toute assez, assez, incertaine, mhm. puisque quand on entre dans le fond, on se rend compte qu'en fin de compte, la philosophie, c'est tout. Mhm. C'est d'abord une entreprise de connaissances, mais c'est aussi et surtout un art de se comporter, un art de bien vivre, et avec même certaines orientations et certaines doctrines philosophiques, c'est un mouvement, j'allais dire pratique pour ne pas dire révolutionnaire, qui ambitionne de transformer le monde. Euh, voilà, euh, d'habitude on dit que Socrate est le père de la philosophie. Pourtant, il y a d'autres euh, comme Anaximandre, Thalès, Héraclite, Pythagore pourquoi on a choisi Thalès comme pourtant étant le père de la philosophie en, parlant d'origine, on dit que Thalès, euh, Socrate est le père de la philosophie. Tout à fait. Euh, très bonne question, parce mm-hmm. que quand justement on procède même au déroulé même de la philosophie dans le temps, c'est-à-dire quand on procède de façon, euh, de façon diachronique, n'est-ce pas, dans l'historique de la philosophie, on constate que justement il y a ce qui pourrait sembler être quelque peu une aberration. Mm-hmm. On cite des penseurs, les penseurs que vous avez cités d'ailleurs tout à l'heure, Thalès, Anaximandre, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Anaximène et beaucoup d'autres, mhm. qui ont vécu avant Socrate, qui ont philosophé donc, et comme par extraordinaire, Socrate qui vient après eux est lui considéré comme le vrai père de la philosophie. vous voyez que vous avez raison, cela semble être un, paradoxe. En réalité, ça ne l'est pas, parce qu'en fait, la philosophie, elle n'est pas née brusquement. Elle est l'aboutissement, le résultat d'un long processus de formation de, l'esprit. Socrate est le vrai père de la philosophie en ce qu'il a donné à la philosophie ses lettres de noblesse en lui apportant quoi En lui apportant un objet clair, précis, la connaissance, et en lui proposant également une démarche claire et précise, à savoir, disons, la réflexion. Alors l'intérêt maintenant de ces pensées que vous avez citées, qu'on appelle grosso modo les présocratiques, qui ne sont pas forcément des penseurs ayant vécu avant Socrate, mais qui sont des penseurs, certains d'ailleurs étaient des contemporains de Socrate, mais qui sont en réalité des penseurs qui ont balisé le chemin, qui ont permis à Socrate de pouvoir émerger et de pouvoir réellement euh, donner à la philosophie une véritable, euh, une véritable euh, existence. Alors ces pré-socratiques, ils ont été les premiers à créer ce qu'on appelle des écoles philosophiques. Pas école dans le sens moderne, mais des tendances d'interprétation des démarches en tant que telles de connaissances. Vous avez cité Thalès. Il a créé la première école philosophique qui est l'école de, de Millet. Quel est l'intérêt de Thalès Thalès s'est levé un beau jour pour dire que les formes d'explication qui jusque-là existaient et qui étaient pour l'essentiel des explications mythiques et religieuses, c'est-à-dire basées sur des croyances incertaines, indémontrables, où l'explication n'était pas en tant que telle réellement fondée, où l'individu se contentait d'accepter simplement une forme d'explication primitive basée sur une foi aveugle, parfois même je dirais sur la naïveté. Thalès s'est levé en disant que, je, je, schématise, tout est rationnel. Tout est rationnel, autrement dit, on peut tenter de comprendre les phénomènes de l'existence en faisant appel à la raison qui, en procédant par réflexion, peut parvenir à la saisie de la substance première des choses. Donc vous voyez bien qu'il y a ici un discours de rupture qui, qui, qui, qui émerge qui est venu en quelque sorte contester une tradition de connaissances essentiellement de l'ordre, j'allais dire, du sens commun ou du, ou du dogmatique, puisque des connaissances fondées sur la croyance et où il n'y avait pas réellement d'explication. Donc Thalès lui propose une démarche intellectuelle, une démarche rationnelle. Donc là déjà, il est en train de mettre la philosophie sur les fonds bâtissimaux en ce qu'il fait de la raison déjà un moyen de connaissance. Malheureusement, Thalès et ceux qui vont le suivre n'en sont pas allés au bout de la démarche, au bout de la logique. C'est-à-dire qu'ils ont posé la raison comme principe de base, ils ont rompu avec la tradition mythique et religieuse, mais ils n'ont pas procédé de façon intellectuelle approfondie pour pouvoir justifier le bien fondé de leur pensée. Exemple très simple, Thalès nous dit, tout vient de l'eau. L'eau est la cause première qui engendre l'infinie variété des, choses. Le monde lui-même est encerclé d'eau. Il y a des eaux d'en haut qui renvoient au ciel. Il y a, il y a les eaux d'en bas sur lesquelles flotte la terre. Maintenant, quand il nous dit que tout vient de l'eau, on peut comprendre, par exemple, que la, tasse, la table que j'ai là en face de moi vient de l'eau, puisque la table elle-même vient du bois, le bois lui-même vient d'un arbre, et l'arbre lui-même n'aurait jamais existé sans l'eau. Mais est-ce qu'il a procédé à la même démarche explicative concernant tous les phénomènes de l'existence Malheureusement, non. Il y a aussi un fait, c'est que pour ces penseurs-là, on n'a pas pu euh, recueillir ou avoir en fait l'intégralité de leur texte pour Thalès, pour Anaximène, Anaxagore, Anaximandre et tous ces pré-socratiques, l'essentiel de leurs enseignements se réduisent à des fragments. Donc on ne peut pas les considérer, même s'ils ont eu véritablement la clairvoyance de pouvoir mettre la raison au devant de la scène comme forme d'explication, n'étant pas allés jusqu'au bout de leur démarche, de leur logique et de leur explication, on ne peut pas euh, véritablement les considérer comme les pères fondateurs de la philosophie. Regardez par contre, Socrate, lui, il intervient il dit aux individus, premièrement, tout ce que je sais, c'est que je le sais rien. Par là, qu'est-ce qu'il essaie de faire Il essaie non pas de, se rabaisser, j'allais dire d'un point de vue simplement intellectuel, mais il cherche simplement à inviter les individus à faire appel eux-mêmes à leur propre raison pour tenter également de parvenir à la connaissance, pour qu'ils s'engagent eux-mêmes dans la démarche de, savoir. Et c'est ainsi donc qu'il va mettre sur place cette merveilleuse méthode qu'on appelle la maïotique, à d'accoucher les esprits, qui va amener tout un chacun à faire l'effort intellectuel de parvenir lui-même à la connaissance. Et Socrate ne cessait de dire, je ne suis le maître de personne. Il a compris par là que s'il acceptait d'être le maître, il serait retourné justement à la démarche établie par, disons, ses, prédécesseurs qui se contentaient simplement, disons, de perpétuer des traditions de connaissance sans pour, autant inviter les individus eux à réfléchir. Donc Socrate, en mettant en place la maïté et en disant aux individus, comme d'ailleurs le confirme le banquier, il n'y a rien de meilleur pour l'homme que la vérité. Il fait donc de la philosophie véritablement une activité réelle en ce qu'elle a désormais une méthode, à savoir la réflexion, le raisonnement, et a un but précis, à savoir la connaissance et rien que la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle toute l'histoire de la philosophie se réduit en réalité directement ou indirectement à la démarche socratique. Voilà, maintenant, que répondez-vous aux gens qui disent que la philosophie n'est pas une science euh, ce que je leur dirais, c'est qu'ils ont à la fois raison et tort. Ils ont d'abord tort en ce que la philosophie est bien une science. Mais la science ici est d'abord à entendre, non pas comme la science euh, démarche de connaissance objective, une forme de savoir certain basée sur des preuves irréfutables. Ça, c'est la définition moderne. Et là, vous avez particulièrement Lalande qui, le dit très bien dans son vocabulaire technique écrit de la philosophie, un ensemble de connaissances ayant un, degré d'unité et de généralité. Voilà, les élèves connaissent bien la suite. Mais la science ici, étymologiquement, elle est quoi Elle est scientia. Et scientia veut dire quoi Savoir. Donc la philosophie est bien une science en ce que elle n'est rien d'autre qu'un savoir, c'est-à-dire une activité intellectuelle de connaissance, une recherche de la vérité, un amour en quelque sorte du, savoir. Donc de ce point de vue, c'est là même qui disent que la philosophie n'est pas une science ont effectivement tort. La philosophie est une science, elle est une activité, une recherche de vérité. Mais ils ont également raison. Ils ont raison dans quel sens Dans le sens moderne du terme. Puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle une science, ce n'est pas la totalité des savoirs, ce n'est pas le savoir seulement, c'est le savoir scientifique. Et le savoir scientifique n'est pas le savoir philosophique. Il est clair, il est net, il est évident qu'aujourd'hui, la science et la philosophie constituent deux disciplines autonomes basées sur des principes divergents et véritablement des principes qui le sont en tant que tel propres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est révolu de dire que la philosophie est une science ou que la science est une philosophie. Aujourd'hui, en réalité, il s'agit de deux disciplines distinctes, mais qui sont malgré tout complémentaires. Est-ce qu'on peut comparer ici euh, la philosophie et la littérature Philosophie et littérature sont aussi proches, mais en réalité profondément opposées. Elles sont proches en ce que, euh, disons, la philosophie, quoi qu'on puisse en dire, elle est d'abord une activité théorique, elle est d'abord, euh, disons, un discours, elle est en quelque sorte, disons, une, euh, de la littérature aussi un peu, hein, puisque le philosophe, c'est également quelqu'un qui, qui, qui, fait de la théorie, il théorise. Mais euh, d'ailleurs c'est une petite parenthèse que je voulais là ouvrir et remercier également, disons, euh, nos, nos, nos, collègues professeurs de lettres. Les meilleurs élèves que nous, nous avons en philosophie nous viennent en fait d'une formation solide en littérature. C'est des élèves qui sont d'abord très performants dans le cours de français. Et c'est pourquoi en réalité, et je le dis souvent à mes collègues, le travail que nous faisons, nous, est facilité par nos collègues en français. Parce que si nos collègues en littérature, disons, donnent à nos élèves les bons rudiments concernant l'explication de texte, concernant les figures de style, concernant la grammaire, l'orthographe et tout ça, nos élèves, les élèves qui nous arrivent en classe éternelle, terminale, étant déjà bien formés en tous les prérequis en littérature, deviennent ipso facto de très bons élèves en philosophie parce qu'il ne restera simplement qu'à assimiler les idées. Donc voyez bien que la philosophie et la littérature sur ce plan-là sont assez proches. Mais en réalité, on a là deux disciplines distinctes. Parce que la littérature elle n'est pas la philosophie, en ce sens que la philosophie, c'est une science, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une quête de connaissances, un raisonnement, une réflexion qui vise l'élucidation, pour emprunter un peu un concept de Wittgenstein. Euh, la littérature, elle, c'est une forme d'art. Et l'art, on le sait très bien, n'a pas pour objet l'utile, l'art n'a pas pour objet le vrai, l'art a pour objet quoi Le beau. Et dans la littérature, et en particulier dans la poésie, on se rend compte que le poète le euh, les en général, n'est-ce pas, il vise en quelque sorte au-delà même des idées, des histoires, du récit qu'il fait, il vise également d'une certaine façon à émouvoir. il cherche à toucher en tant que tel nos passions. Regardez si on prend le cas particulier de la poésie, ce qui est particulièrement en jeu dans la poésie, ce n'est pas véritablement le message qui est transmis, même s'il y a un message, mais ce qui est surtout euh, visé, c'est en quelque sorte charmer, n'est-ce pas, l'auditeur, faire en sorte que celui-là, en entendant le poète déclamer par exemple euh, un poème, être ému par la beauté ou l'agencement en tant que tel des mots. Je peux donner un exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, quand par exemple Verlaine lundi, Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Vous voyez bien que c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'étais charmé par ce propos-là quand je l'ai entendu pour la première fois de mon professeur, monsieur, d'un de mes professeurs, M. Béridien, que je, que salue euh, euh, avec, beaucoup d'affection et d'admiration. Et euh, quand j'ai entendu la première fois, par exemple, ce, poème, j'ai été émerveillé, je l'ai immédiatement capté. Mais en termes de contenu, en termes de message, en termes d'idées, qu'est-ce qu'il y a absolument rien derrière. Parce que justement, le poète, il n'a pas pour ambition de, transmettre un message. Il n'a pas pour, pour, but d'enseigner. Parce qu'une fois de plus, c'est l'art. Si on peut faire l'art avec l'utile, l'art avec un message, l'art avec, disons, euh, des éléments, j'allais dire, euh, intellectuels, c'est bien, c'est un peu la formule de, de Victor Hugo, l'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est encore plus beau. Mais le but de l'art, c'est simplement d'émouvoir. Le but de l'art, c'est simplement le beau. Et par conséquent, le poète et le littéraire, dans sa démarche, son ambition, sa finalité, c'est simplement de faire en sorte que l'auditoire soit émerveillé, susciter en lui, n'est-ce pas, une délectation. Le philosophe, lui, il ne cherche pas la délectation. Le philosophe, lui, il ne cherche pas à émerveiller excepté évidemment un groupuscule de philosophes que l'on peut qualifier systématiquement de sophistes. Mais ce que vise le philosophe, c'est en quelque sorte l'éveil de l'esprit faire en sorte que l'individu soit amené en quelque sorte à réfléchir, à procéder de façon intellectuelle, afin d'avoir une explication intelligible de l'univers. Donc grosso modo, on peut donc dire que la littérature a pour finalité la beauté, alors que la philosophie, elle, a pour finalité le savoir, l'explication intelligible de l'univers, d'où donc on a là deux disciplines profondément distinctes. Si je vous comprends, vous avez tantôt dit que les élèves qui nous viennent de la seconde, de la première terminale, s'ils sont bien assis en français, facilement, ils euh, euh, sont capables de faire un devoir philosophique sans difficulté. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas euh, aujourd'hui urgent de préparer les enfants par de la seconde depuis la seconde pour arriver en terminale avec un background pour permettre de pouvoir affronter la philosophie dans les meilleures conditions Mais absolument, absolument, monsieur, monsieur et merci vraiment pour cette question, parce que c'est un combat que moi je mène en fait euh, à Kaolac depuis que je suis arrivé en, 2000, en 2004 j'ai eu pour ambition de, de, donner tant soit peu, euh, disons, à ma ville, donner tant soit peu de mon savoir, en fait, de mes compétences à, cette chère ville à, à, laquelle je dois tout. Donc quand je suis arrivé en 2004, je me suis dit, il faut que j'innove. Mhm. Et mon innovation, ma, meilleure contribution, c'était au moins d'initier quelque chose qui jusque-là était en quelque sorte le parent pauvre par rapport à toutes les régions du Sénégal. C'était de faire la philosophie, pas seulement en classe terminale, mais bien avant, faire l'initiation à la philosophie. Et immédiatement, c'était difficile au lycée, mais immédiatement, je l'ai appliqué dans les établissements privés où j'ai eu à enseigner. Et si je ne m'abuse, hein, je ne suis pas également euh, total, vraiment sûr à 100%, mais j'ai été l'un des premiers à avoir initié la philosophie vers 2004-2005, dans en tout cas la ville de Kaolack et peut-être même dans toute la région de, de, Donc c'est pour vous dire simplement l'intérêt d'initier les élèves en classe, de, en classe de seconde, je dirais même seconde, et de première pour bien les préparer à la classe terminale. Pour au moins trois raisons. La première raison, c'est que la philosophie est sans aucun doute la discipline la plus lourde de préjugés. Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'elle Discipline qui pousse l'individu à devenir athée, discipline difficile, hermétique, discipline, euh, disons, où on raconte tout et n'importe quoi. Alors, ce serait intéressant qu'on les initie en classe de seconde et de première pour au moins pouvoir élaguer toutes ces formes de préjugés qui accompagnent la discipline et qui empêchent l'élève n'est-ce pas, à pouvoir dès à présent s'intéresser à la matière. vous voyez bien que si on avait fait en classe de seconde ou en classe de première au moins, l'élève qui arrive en classe terminale ne perdrait pas un mois ou deux à évacuer toutes ces fausses idées avant de pouvoir maintenant bien étudier son programme. Donc ce serait déjà intéressant pour cette raison-là qu'on élimine, euh, qu'on commence la philosophie en classe de, seconde ou de première pour éliminer les préjugés. La deuxième raison, c'est que le programme de philosophie est démentiel il est extrêmement vaste. Et je le dis systématiquement à mes élèves en, début d'année, nul ne peut avoir la prétention de terminer un programme de philosophie. Je donne un exemple terre à terre simple. On étudie la métaphysique dans le programme. C'est deux ou trois ou quatre cours maximum. Vous allez voir, par exemple, dans nos self-cas de spécialité à l'université, des gens qui, pendant toute une année, se spécialisant dans la métaphysique, n'étudient que la métaphysique. Est-ce que donc le professeur qui entre en salle de classe pendant 4 heures de temps ou 6 heures de temps peut avoir la prétention d'épuiser le thème Non. Et voyez les autres encore thèmes que nous avons dans le programme. Alors moi, j'aurais été pour qu'on réforme la philosophie euh, à ce niveau-là, que la première partie, c'est-à-dire le chapitre 1, au moins les trois questions, d'où vient la philosophie, qu'est-ce que la philosophie et comment philosopher, que ce soit les trois thèmes, n'est-ce pas, des classes de seconde, ou de première. Comme ça, on arrive en classe de terminale, on passe à philosophie et religion, philosophie et sciences, et immédiatement, on passe au chapitre numéro, numéro 2. Ça, c'est la deuxième raison qui fait que je serai pour qu'on puisse initier la philosophie en classe de seconde ou de première. La troisième et dernière raison, c'est que ça permettrait véritablement à l'élève aussi de pouvoir dès à présent, j'allais dire, démythifier cette discipline. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là un peu, c'est d'ailleurs proche de la première, de la première euh, raison, euh, penser que la philosophie, c'est une discipline inaccessible. Moi, je dis aux élèves, l'évaluation de la philosophie, y compris au bac, c'est de 0 à 20. L'élève doit comprendre que oui, on peut avoir zéro si on pense qu'il faut aller au bac aller au devoir, aller à la composition, au petit bonheur, la chance. Mais il faut également comprendre qu'on peut avoir un 20 si on a l'intime conviction que c'est une matière comme toutes les autres, que l'on doit travailler et dans laquelle on peut être performant. Donc, euh, ça nous permettrait, dès la classe de seconde, dès la classe de première, de faire en sorte que l'élève se familiarise un peu avec la discipline, que l'élève élimine une fois de plus les préjugés qui accompagnent cette discipline-là, comprenne que c'est une matière comme toutes les autres dans laquelle on peut avoir un 17 et euh, un 18. Moi, permettez-moi de parler de ma petite expérience, notamment dans le privé, ce que je fais systématiquement. je n'enseigne pas la philosophie selon la démarche traditionnelle où l'évaluation se fait selon des textes euh, dissertation ou commentaire ou, des, ou un texte question. Je le fais par exemple sous forme de QCM avec des questions euh, très très très simples où l'élève facilement peut se taper un 17 un 18 ou un 16. Il m'arrivait parfois en classe de première où tous les élèves avaient la moindre euh, à la fin de la composition du premier semestre. Alors vous voyez que très vite, les élèves s'intéressent à la matière. Très vite, ils comprennent que voilà, tout ce qu'on dit de la philosophie, c'est des, histoires, qu'il n'y a aucun danger à étudier cette discipline-là, et que également, ce n'est pas une discipline hermétique. On peut y aller, avoir un 17, un 18, et l'expérience nous a montré que par la suite, des élèves avec lesquels on a vu à travailler un an ou deux ans un peu plus tôt, se sont tapés un 16 ou, euh, ou même un 17 au bac, et ça montre justement l'intérêt qu'il y a à travailler la discipline euh, en classe dans les classes préparatoires de la terminale. Juste une petite parenthèse pour vous préciser que la tendance aujourd'hui au niveau international, c'est de plus en plus d'étudier la philosophie très tôt. Mm-hmm. Euh, dommage qu'ici on ne le fait pas dans les établissements publics, mais vous allez dans un pays comme la France, depuis jadis, depuis bien longtemps, on enseignait déjà la philosophie en classe de première. Et si mes informations sont exactes, aujourd'hui on enseigne même dans certains établissements la philosophie en classe de seconde. Vous voyez bien que si nous, on continue simplement à recevoir nos élèves en classe de terminale avec tout, tout, le programme qu'on a à enseigner, avec les méthodes, les méthodologies, avec les exercices à faire, avec parfois les pertes d'heures par-ci, par-là, vous voyez bien que tout le travail euh, intellectuel, tout le travail de préparation que nous avons à faire, malheureusement, on ne parvient pas réellement à le faire. Donc, une fois de plus, je suis de ceux qui pensent que la philosophie avant la terminale serait une excellente chose. Mais qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez de cette, cette façon de faire aux, autorités qui refusent de faire ça Est-ce que il euh, y a des problèmes qui font qu'ils n'auraient pas à régler ce problème avec les enfants Bon, je pense que vous savez, vous savez le drame parfois dans nos pays, c'est qu'il y a deux logiques qu'on cherche à superposer. Il y a la logique euh, pédagogique et la logique financière. Moi, je pense que euh, ça va de ça va ça va de soi aujourd'hui et tout le monde le reconnaît, même les décideurs le reconnaissent. La philosophie en classe de seconde première, ça s'impose. Mais vous savez, il y a des incidences financières. Parce que si on doit faire la philosophie en classe de seconde et de première, ça veut dire qu'on devrait encore recruter plus de professeurs. Et déjà, il y a un problème avec euh, euh, le manque de professeurs de philosophie. Aujourd'hui, on, recrute des sociologues euh, que l'on forme et qui font, et, qui font le travail avec, avec nous. C'est même très bien. Mais je pense que même malgré ça, il y a encore, disons, un un gap qui reste encore à, à, résorber. Donc je pense que si on laissait de côté les incidences financières et qu'on se contente simplement de penser pédagogie, de penser à la formation, à la formation de, nos, de, nos élèves, je pense que là, euh, nos décideurs se seraient immédiatement engagés, engagés, engagés à le faire. Je rappelle que juste avec Souleymane Fall, Philo, euh, le thème d'aujourd'hui c'est euh, qu'est-ce que la philosophie, comment philosopher. Mais M. Fall, vous avez touché du doigt un problème l'athéisme. Est-ce que euh, au niveau des élèves, on me dit que le philosophe, généralement, il est athée. Est-ce que vous l'êtes euh, À titre personnel, euh, non. À titre personnel, non. Et je dirais même plus, je dirais que la philosophie m'a même aidé davantage mm-hmm. à asseoir mes convictions religieuses. J'étais croyant avant d'être philosophe je le suis encore davantage aujourd'hui. Mais vous avez entendu ce, Absolument, absolument. Mm-hmm. Mais <laughs> je vais même plus vous raconter des anecdotes. Euh, personnellement, j'ai été, j'ai été, j'ai été une fois à, une manifestation religieuse avec des amis. Voilà, c'était, l'ambiance était, était merveilleuse. On discutait à bâton rompu. C'était très intéressant. Et maintenant, au moment de nous séparer, j'ai, quelqu'un m'a dit. Parce qu'on m'avait présenté avant comme un, comme un professeur. Le monsieur, dit-il, croyait que j'étais professeur de mathématiques. Le monde ne sait pas, il m'a dit, bon, je viendrai un jour faire des cours de mathématiques. Et le camarade avec lequel j'étais lui a dit, non, c'est pas un prof de mathématiques, c'est un professeur de philosophie. Mais également, le m'a regardé avec, avec de gros yeux en me disant Ah, toi, dans notre, dans notre, dans notre euh, je ne veux pas utiliser le mot, dans notre daïra, mhm. on aurait même préféré que vous n'y reveniez plus. <laughs> simplement parce qu'il avait à l'esprit que, voilà, philosophe que j'étais, je pouvais constituer un danger. Bon, je ne lui en ai pas voulu, il s'en est même par la suite excusé. Je le comprends. Je le comprends, c'est juste un préjugé. Et bien souvent, et même personnellement, avant d'avoir fait la philosophie, c'était également un peu l'image que j'avais des philosophes. Et je me rappelle d'être qu'à l'époque, c'était une, une, chose qu'on pouvait comprendre parce que nous, quand on faisait encore la terminale, il y avait encore les courants que l'on apprenait. Hein. Il y avait le marxisme, la phénoménologie, euh, le structuralisme. Et voyez ces disciplines, l'existentialisme. J'ai même fait en classe terminale comme œuvre au programme l'existentialisme et l'humanisme de Jean-Paul Sartre. Et ces thèmes-là, ces textes-là, nous renvoyaient en fait à des orientations athées. Donc la philosophie et l'athéisme, c'est un long compagnonnage. Et j'allais même dire que, au début, la philosophie, c'est implanté au détriment de la religion. Mhm. Parce que antérieurement à la philosophie, l'explication était pour l'essentiel mythico-religieuse. Ce sont les divinités qui expliquaient les phénomènes. Eros, Thanatos, Poséidon, Zeus, Héphaïstos, etc., etc. Donc ce sont seules les divinités qui expliquaient les phénomènes. Mais le discours philosophique est, devenu, est venu pour être un discours de rupture par rapport à la tradition religieuse. Euh, cela est bien illustré par exemple par une expression de, de qui disait « les dieux n'expliquent rien » vous voyez bien que rien qu'en parlant de ce, de ce principe-là, philosophie et religion sont donc deux disciplines aux antipodes l'une de l'autre. <laughs> Mais quand on va au fond des choses, il n'y a pas une réelle opposition entre les deux disciplines, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est qu'il s'agit simplement de principes divergents. Quand par exemple le religieux vise la connaissance, il vise une connaissance déjà révélée, déjà établie. Et il y va avec l'esprit en se contentant d'accepter. Le philosophe, lui, n'est pas qu'il dise aux religieux que tes principes sont infondés. Mais il veut avoir une démonstration de l'existence des choses. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir le médecin qui, après avoir fait une petite consultation, vous dit que oui, euh, du fait de votre régime, du fait euh, de la radiographie médicale, on a vu que, voyez-vous, votre foie a augmenté de volume. Et tu veux en avoir l'explication. Le religieux te dira que c'est Dieu qui l'a fait. Mais est-ce que toi, en tant que scientifique, et par rapport à l'approche que tu vas avoir avec le médecin, tu vas lui dire, euh, démontre-moi cela. Mais le médecin, il ne te dira pas simplement, Dieu l'a fait, je ne sais pas comment. Il va essayer, n'est-ce pas, de t'expliquer sur la base d'une argumentation, n'est-ce pas, scientifique, que du fait de ton alimentation qui est trop riche en lipides, euh, trop ceci ou trop cela, eh bien, il y a eu, par exemple, une augmentation du volume du, foie. Alors, ah, vous voyez bien que là, c'est pas que le médecin est contre la religion. Mais faisant, ça, faisant preuve de démarche scientifique, il va donner une explication scientifique aux choses. Mhm. Et c'est exactement ça également qu'on retrouve en philosophie. On a une démarche qui se veut philosophique, c'est-à-dire basée sur la raison. Le religieux, lui, a une démarche qui d'abord est fondamentalement basée sur la, sur la croyance. Mais quand on va au fond des choses, on se rend compte qu'en fin de compte, la foi et la raison sont deux phénomènes qui en réalité sont complémentaires. Parce que quand on dit que la philosophie est rationnelle ou que la religion elle-même est spirituelle, ça ne veut pas dire que la religion, elle n'est que spiritualité et que la philosophie ne serait que rationalité. Ça voudrait dire en réalité que la philosophie, elle est rationnelle, mais derrière la raison, il peut y avoir un complément spirituel. Et ça, on le voit à travers des pensées philosophiques comme celle de Descartes, comme celle de Leibniz, comme celle des stoïciens, et j'en passe. Quand on s'inscrit également dans la perspective religieuse, on le constate. On voit que là, l'acte premier, c'est la foi dans l'islam, on va dire proclamation de la foi à l'unité de Dieu, la shahada. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'une fois que tu as cultivé la foi, tu dois te contenter d'une foi aveugle. Il te faut maintenant aller rechercher la connaissance et la rechercher de façon purement rationnelle. Donc, vous voyez bien que foi et raison interviennent et dans la religion et dans la philosophie. Sauf qu'en philosophie, la raison prime sur la foi et qu'en religion, la foi prime sur la raison. Et c'est pourquoi vous le voyez bien, les déminants religieux qui sont également des philosophes. Je vais pu donner un exemple avec Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, je vais même donner euh, l'un des meilleurs exemples serait sûrement le pape Jean-Paul II, quand, il dit par exemple dans Fides in Ratio que la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la connaissance et que donc la foi et la raison doivent marcher la main dans la main. Si on prend maintenant des philosophes, on se rend compte que, voyez-vous, euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du connaissable ne se limite pas véritablement au domaine, au domaine du rationnel. On prend un penseur comme Leibniz, il dit clairement, la raison a des limites objectives, et pour atteindre un certain niveau de connaissance, il faut en tant que tel faire appel à la foi. Une démarche qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler Kant, malgré la différence qu'il y a dans le fond, puisque Kant, lui, il ne considère pas que, disons, ce qu'il appelle les noumens soit de l'ordre du connaissable, cela est au contraire de l'ordre de la, la croyance. Donc, euh, Leibniz, lui, nous invite, quand on veut connaître les réalités abstraites, les réalités supra sensibles, à faire appel à la foi pour les connaître, Kant, lui, nous dit, tu dois rechercher la connaissance en mettant en avant la raison après les apports venant des organes de sens. Maintenant, il dit, quand tu en arriveras au domaine des noumens, c'est-à-dire au domaine de l'imperceptible, il dit, arrête la connaissance et fais appel à la, à la croyance. Donc, c'est vous dire simplement que la foi et la raison constituent, euh, j'allais dire, deux, deux, deux éléments distincts, mais deux éléments complémentaires, aussi bien dans le domaine de la philosophie, que dans le domaine de la croyance religieuse. Et là, j'aurais pu citer en particulier euh, un de nos professeurs à l'université, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui dans un merveilleux texte Pourquoi il faut, faut philosopher dans l'islam, montre bien que le musulman qui ne va pas à la recherche du savoir perd véritablement sa substance de musulman. Et quand il dit recherche de savoir, il entend par là la démarche réellement philosophique. Donc vous voyez bien que la foi s'accompagne de la raison, on le voit dans le domaine de la religion, on voit également dans le domaine de la philosophie que la raison s'accompagne de la foi. Donc oui, il y a ce préjugé de l'athéisme, qui est aussi un préjugé fondé, hein, parce qu'il y a quand même des doctrines philosophiques qui sont catégoriquement athées. C'est le cas de, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme athée. C'est le cas également, disons, du marxisme. C'est le cas du, du, du, du Vous voyez que ce sont des doctrines systématiquement, radicalement athées, mais de façon beaucoup plus globale, la philosophie et l'athéisme ne sont pas en réalité, euh, disons, la philosophie n'est pas euh, une, une, discipline athée. En réalité, on a plus d'aide de philosophes croyants que de philosophes mécréants, même si également certains pourraient considérer que cette croyance-là, elle ne mérite pas d'être considérée comme telle. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution de la philosophie Parce qu'il euh, y a 20 ans, 30 ans, euh, ce que vous défendez tout à l'heure était, la réalité aujourd'hui avec la philosophie arabe. Est-ce qu'il n'y a pas la compréhension de la philosophie par rapport à la religion Oui, vous savez que de plus en plus, on constate une profonde mutation de la, démarche philosophique. Il suffit simplement, moi, de consulter des cahiers de philosophie que j'avais, des cours de philosophie que j'avais eu à faire il y a 10 ans. Euh, consulter des cahiers de philosophie qui datent de, 2001, de 2002, consulter mes vieux cahiers de philosophie, consulter les cahiers de philosophie de mes grands pour constater que la philosophie est une discipline en constante mutation. Alors, il y a l'ouverture avec le monde arabe, c'est vrai, du fait de l'influence grandissante de l'islam, de penseurs comme, comme, comme, comme Ibn Khaldun, de penseurs comme euh, Al-Kindi, Al-Farabi et autres, euh, Ibn Rushd également, communément appelé Averroesh. De plus en plus, on a cette ouverture, n'est-ce pas, avec le monde arabe, et du fait de l'islamisation, on se rend compte que de plus en plus la philosophie du fait de l'influence arabe, a tendance justement à concilier un peu foi et, foi et raison. Et là, je vous inviterai en particulier à un merveilleux texte de, de, comment il s'appelle encore, de Ibn Rushd que j'ai cité tout à l'heure, euh, traité sur l'accord décisif entre la foi et la raison, où il montre à quel point la foi elle est fondamentalement rationnelle et que la raison elle-même, elle est fondamentalement spirituelle et qu'on a là deux domaines, philosophie et religion, qui sont profondément inséparables. Donc euh, l'influence arabe a joué dans ce sens. Maintenant, au-delà de cela, il y a aussi le fait que la philosophie soit fille de son temps. Et de plus en plus, les tendances modernes ont montré que c'est vrai, il y a eu euh, le recul de la foi, par exemple, en Occident. On le voit notamment avec un merveilleux texte de Gilles Lipovetsky, Entre l'aile du vide, où il montre à quel point aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à un recul de la foi. Mais les dérives que l'on constate aujourd'hui dans ce monde, du fait de la technoscience, ont poussé les individus à comprendre qu'il y a encore un besoin de spiritualité. Et Roger Gadoudi le montre très très bien. Roger Gadoudi, dans l'appel aux vivants, il nous montre, il nous fait savoir que la seule chose qui peut réellement sauver aujourd'hui notre humanité, c'est le retour à la spiritualité religieuse. Parce que la science a atteint ses limites. Pas ses limites en termes de conquête, pas ses limites en termes de développement, elle va continuer encore à évoluer, mais ses limites en termes de danger. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que, avec la technoscience, Michel Céleste avait raison de dire que on est à l'ère de la tarotocratie. C'est-à-dire que l'homme a acquis un pouvoir de destruction. tarotos étant le dieu de la mort. Il dit avec la technoscience, on a atteint le summum de la technocratie, c'est-à-dire le pouvoir d'exterminer, le pouvoir de tuer, le pouvoir de réduire à néant toute vie humaine. Et que donc, quelle doit être la solution La science a tellement progressé que de toute façon, on ne peut plus aujourd'hui s'en passer. Mais il nous faut donc avoir une approche, j'allais dire, moralisatrice, humaine de la, de la technoscience. C'est-à-dire que faire en sorte que cette science dont on ne peut se passer, qu'on puisse en faire un usage judiciaire, c'est-à-dire qu'on puisse l'orienter vers le domaine qui soit profitable en quelque sorte à l'humanité. Et qui mieux que le philosophe pourrait assumer ce rôle-là Donc le philosophe doit aujourd'hui épauler le savant, pour parler un peu comme lui Althusser, amener le savant chaque jour à piquer sa crise de philosophie. Ce qui va lui permettre de savoir que la science, oui, mais une science accompagnée de conscience qui serait en quelque sorte au service de l'humain et non pas qui entraînerait simplement la destruction de l'humanité, ce qui serait dommageable pour toute l'espèce humaine. Une science concernée que l'une de l'autre. Exactement. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a une euh, philosophie sénégalaise une <laughs> philosophie sénégalaise Alors je dirais pourquoi pas oui <laughs> Pourquoi pas oui D'abord pour une raison très simple, parce que vous avez signé tout à l'heure, souligné tout à l'heure, euh, j'ai parlé tout à l'heure de Souleymane Bachir Diagne. Euh, professeur émérite, euh, qui fait aujourd'hui l'honneur du Sénégal euh, là-bas où il s'est quasiment implanté. Les États-Unis d'Amérique, qui a été considéré, qui est encore considéré comme l'un des plus grands intellectuels de l'ère moderne. Donc il y a il y a le cas de Soudan Bachir Diagne, il y a bien avant lui il y a le professeur Pape oui Pape qui nous a quitté il n'y a pas il y a pas cinq il y a pas 4 ans, ans, 5 ans comme ça. Euh, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Si on remonte euh, à nos ancêtres, j'aurais même dit que euh, Barma Fall, si vous me le permettez, euh, était, était, également un philosophe. Donc vous voyez que la philosophie, à mon avis, elle est d'essence universelle. Et là, je voudrais me référer en particulier au révérend père Placide Temples, qui dans la philosophie bantou disait clairement que la philosophie ne pouvait pas ne pas exister chez les Bantous, parce que la philosophie, c'est d'abord ce que les Allemands appellent une Weltanschauung, c'est-à-dire une vision du monde. Et tout peuple a sa vision du monde, et par conséquent, tout peuple a potentiellement ou a réellement en tant que tel des philosophes. Donc la philosophie est d'essence universelle, elle existe en Asie, elle existe en Amérique, elle existe en Europe, elle ne saurait ne pas exister en Afrique, elle ne saurait ne pas exister Sénégal. Donc oui, il y a de la philosophie sénégalaise, mais que l'on me comprenne. Parce que là, je voudrais raisonner un peu dans le même sens que des penseurs comme Martien Toa, des penseurs comme Paulin Untonji, qui ont quasi catégoriquement défuté ce qu'on appelle l'ethnophilosophie. La philosophie sénégalaise existe, mais quand on parle de philosophie sénégalaise, c'est pas une philosophie euh, pour les Sénégalais. C'est la philosophie par des Sénégalais, mais ayant une orientation universelle. Parce qu'une philosophe qui se voudrait être une philosophie que pour des Sénégalais n'aurait aucune valeur, n'aurait aucune importance. Et moi, je suis de ceux qui croient que, que euh, en fait, euh, ce que Jean-Paul Sartre appelle euh, l'universal de la condition humaine est une réalité. Moi, je suis de ceux qui pensent à ça. Je ne crois pas au clivage ethnique, raciaux, confessionnel. Moi, je, suis, je veux être un citoyen universel. Et je considère que ce que les Blancs ont fait, nous pouvons, les faire, nous pouvons le faire. Et s'il y a la philosophie quelque part dans le monde, et eh bien forcément également ici, il y a de la philosophie. Mais pas une philosophie sénégalaise, mais une philosophie faite par des Sénégalais, mais ayant une ouverture et une orientation en tant que universelle. Oui, je suis de ceux qui croient que cette philosophie plan religieux, on peut citer on peut citer Est-ce que sur le plan religieux Parce que si on se rend compte qu'avec... Euh, euh, avec les, les, les, les, les avec on a des talibés qui nous viennent d'ailleurs. Avec Sintouba, on a des talibés qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un texte philosophique ou bien des éléments qui font que ces gens s'accrochent, comme vous l'avez dit tantôt, une raison par rapport à ce qui se fait Vous avez eu raison de citer ces, ces éminentes euh, figures de notre, euh, de notre histoire euh, traditionnelle et récente. Parce ce sont des personnes qui sont parties, mais qui sont restées actuelles aujourd'hui plus que jamais. J'allais même dire que ce sont des personnes éternelles. Et c'est une de nos chances, nous, au Sénégal, d'avoir des déminentes personnalités comme euh, vous les avez citées, Bagnas, comme Serine Toubambake, comme Aj Maliksi et beaucoup d'autres encore. Et je pense que ce serait même un peu, un peu, un peu euh, choqué un certain auditoire que de les considérer seulement comme des philosophes. Ils sont au-delà de la philosophie. Parce que d'abord, au plan spirituel, au plan moral, au plan politique, au plan, j'allais dire simplement intellectuel, sont des personnes qui ont apporté à notre peuple ce que nulle autre personne ne leur apportera. Regardez les personnes que vous avez citées, je ne voudrais pas personnaliser, mais ils ont apporté des recommandations au plan moral, ça c'est déjà évident. Au plan religieux, c'est encore évident, on le sent aujourd'hui encore ils ont en quelque sorte contribué à l'éducation de l'homo sénégalensis et je l'ai dit, même au-delà de, personnes qui ne sont même venues des États-Unis d'Amérique, qui ne sont venues de partout dans le monde. Ce qui était inimaginable il y a 50 ans ou il y a 50 ans, on était encore dans le combat de Black is Beautiful, c'est-à-dire que le noir cherchait simplement à émerger. Aujourd'hui, on est au-delà de là. Aujourd'hui, ce sont des personnes noires qui ont derrière eux des talibés qui viennent de partout dans le monde et qui ont donc compris que seule la force des idées permet aux jeunes de triompher. Donc j'ai dit au plan intellectuel, au plan politique, au plan moral, au plan religieux, et j'allais dire quel que soit le domaine, on peut à travers ces éminentes personnalités-là <laughs> trouver un modus vivendi, trouver une explication au plan théologique, au plan moral, au plan astronomique, ça, il faut le savoir. Ils ont même écrit des textes portant sur l'astronomie, sur, sur, sur, la disposition des astres. Regardez quand, par exemple, également, euh, nous, on, on, invoque souvent des penseurs comme Sigmund Freud pour comprendre les rêves. Mais avec les écrits de nos saints hommes, et récemment j'en ai découvert un, on avait une interprétation approfondie de ce qu'est le rêve dans le milieu de la Sénégambie. Vous voyez bien que ce sont des personnes dont on n'a pas encore, disons, mesuré la plénitude de ce qu'ils nous ont apporté. Et ce serait même aujourd'hui, moi je considère que ce serait même une nécessité qu'on s'intéresse davantage à leurs écrits, qu'on s'intéresse davantage à leurs pensées, pour avoir encore des éléments qui nous permettent de mieux comprendre le monde. Et je suis sûr que si on le faisait, on n'aurait plus de raison d'étudier les Socrates, d'étudier les Kant, les Hegel, parce qu'on a là des, des, des, intellectuels, je ne dis pas seulement des philosophes, hein, parce que je ne veux pas les réduire à ces dimensions-là, puisqu'ils sont au-delà des philosophes, des savants, des religieux et tout. Donc on a déjà ici tout ce qu'il nous faut, toute la matière qu'il nous faut pour avoir une meilleure compréhension, compréhension de l'univers. Et c'est pourquoi encore je remercie le ciel d'avoir mis sur ce sol, le sol que nous partageons, n'est-ce pas, ces éminentes personnalités que sont Serine Touba, Baïgnas Aj Maliksi, j'en passe. Très bien dit, euh, je rappelle que je suis avec Suleiman Fall, Fall Philo, professeur au lycée Wajon de Kaulak. Euh, monsieur je vais essayer de permettre aux gens de participer en appelant au 88 628 97 97. 88 628 95 bien. 33 942 13 47 pour le pour euh, hors du pays. maintenant, Monsieur Fall, venons en maintenant au courant philosophique. Aujourd'hui, bon, comment vous allez éclater euh, les courants qui existent dans la philosophie Bon, les courants philosophiques sont multiples. Je, peux, je veux même dire qu'il y en a en plus fini. Mhm, mhm. Tout dépendra seulement de l'approche que l'on peut avoir. Alors, si on a, si on a l'approche par rapport aux idées, là, il est clair qu'on a deux courants fondamentaux. Il y a le courant des idéalistes et le courant des matérialistes. Les matérialistes étant ceux qui établissent le primat de la matière sur l'idée, les idéalistes étant ceux qui considèrent que tout ce qui est réel est rationnel et que tout ce qui est rationnel est réel et que l'idée elle-même précède en tant que telle la, matière. Alors c'est ce courant qui pendant longtemps a fait fureur, puisque nos anciens, qui étaient particulièrement influencés par euh, les idéologies gauchistes, avaient tendance davantage à considérer que le monde, c'était d'abord la matière, c'était le combat, c'était les actions et qu'il fallait vite, vite, vite, vite fait, bien fait, n'est-ce pas, agir pour pouvoir en quelque sorte donner à notre humanité une nouvelle forme d'impulsion. Donc, on a déjà ces différents courants-là. Si on prend maintenant l'approche intellectuelle, là, on peut également établir deux courants fondamentaux, le courant psychologique et le courant psychanalytique. La psychologie étant psychologos, l'étude de l'esprit, la psychanalyse étant au contraire cette science qui considère que ce qui est fondamental à l'homme, ce sont les affections, sont les affects, c'est-à-dire les, les causes inconscientes, les causes pulsionnelles qui nous conditionnent davantage que les, que les causes en quelque sorte, disons, disons intellectuelles. On pourrait également établir une autre approche concernant en tant que telle la tentative de connaissance de l'homme. C'est euh, l'opposition euh, en principe qu'il y a entre la nature, c'est-à-dire ce qui relèverait du biologique et ce qui relèverait en quelque sorte du, social. Et, là, d'aucuns considèrent que euh, chez l'homme, il y aurait une prédominance des facteurs biologiques, des facteurs génétiques, des facteurs chromosomiques, tandis que d'autres considèrent simplement que le naturel n'est rien, que tout dépendrait du milieu, que la société en tant que telle détermine l'individu. Mm. C'est vous dire simplement que, enfin, on peut établir des courants à n'en plus finir tout dépend, n'est-ce pas, du domaine précis dans lequel on s'engage. On s'engage simplement à réfléchir. Euh, je crois qu'on a épuisé une partie de, du thème. Qu'est-ce que, que la philosophie Maintenant, on va entrer au deuxième point, c'est-à-dire, maintenant, comment philosopher Alors, comment philosopher euh, la, réponse, elle est, est, elle est, toute simple, à mon avis. Euh, je partirai d'un principe très simple. Et ça, il faut que les gens le comprennent en m'inspirant de Descartes. Que dit Descartes Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous avons tous une raison, mm-hmm. nous avons tous un esprit, nous avons tous une pensée. De là maintenant à penser que la philosophie, parce qu'elle est rationnelle, tout homme est philosophe. Non. Tout homme a une raison, mais tout homme n'est pas philosophe. On n'est pas philosophe, on devient philosophe. Et Descartes lui-même le dit. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais l'essentiel n'est pas de le posséder, l'essentiel est de l'appliquer bien. Et quel était d'ailleurs le but du discours de la méthode C'est un discours de la méthode pour bien conduire sa pensée et trouver la vérité dans les sciences. Vous voyez très bien que la philosophie, donc, elle n'est pas ipso facto donnée à tout un chacun. On n'est pas philosophe, mais on peut apprendre à devenir philosophe. En quoi faisant En adoptant une attitude de philosophe. Et la première attitude allant dans ce sens, c'est refuser l'attitude commune. Le philosophe se veut avant tout être un homme d'exception. Par là, j'entends un homme différent du commun des mortels, un homme différent de ses semblables. Et Nietzsche le résumait si bien dans La naissance de la tragédie lorsqu'il disait que les philosophes et celui qui tend à comprendre ce que ses contemporains ne font que vivre. Ceux-là même qui vivent, sans questionner, en acceptant tout, ceux-là même qui se contentent des préjugés, de la rumeur publique, ce sont des individus qui appartiennent au domaine du sens commun. Ce que Bertrand Russell appelle en quelque sorte le sens commun, c'est-à-dire celui-là même qui se contente de l'opinion, qui se contente des formes de connaissances les plus élémentaires, les plus terre à terre. Le philosophe n'est pas le philodoxe, c'est pas l'homme de l'opinion. C'est l'individu qui, au contraire, cherche à avoir une compréhension, n'est-ce pas, intellectuelle des choses. C'est quelqu'un qui essaie de réfléchir pour avoir une claire conscience des phénomènes de l'existence. C'est quelqu'un qui veut fonder, n'est-ce pas, son savoir sur un raisonnement qui veut fonder son savoir en quelque sorte sur la réflexion, sur, je ne veux pas utiliser le, mot preuve, mais qui veut fonder cela sur une certitude en tant que tel intellectuel. Donc la philosophie, c'est d'abord cela, le refus de l'opinion, de le refus d'être un homme du sens commun. Le philosophe ne s'adonne pas également aux pratiques les plus, j'allais dire, viles. Il doit savoir, il doit s'intéresser, n'est-ce pas, aux choses communes, mais non pas pour les appliquer, mais il doit s'y intéresser comme objet d'étude. Le philosophe doit s'intéresser, n'est-ce pas, aux manifestations, au folklore, il peut s'intéresser aux banquets, aux baptêmes, aux mariages, aux décès et autres, mais non pas pour s'y adonner à cœur joie, mais pour les considérer comme objet d'étude afin de pouvoir en montrer la futilité. Le philosophe est donc quelqu'un qui refuse les préoccupations ordinaires. Pour s'engager dans quoi Pour s'engager dans la quête de connaissances. Et Nietzsche, quelque peu, le dit. Quand Nietzsche parle, par exemple, dans Ainsi tout sera de l'attitude du désert, qu'est-ce qu'il entend par là Il n'entend pas par là que le philosophe doit se mettre à l'écart, mais le philosophe doit être dans le désert comme étant quelqu'un qui, étant en public, fait le vide également autour de lui pour, en quelque sorte, bien méditer sur les phénomènes. Et c'est là le contraste que, par exemple, on peut voir avec un penseur comme Machiavel, quand il nous parle, par exemple, quand on parle, par exemple, de, la métaphore des archers, le philosophe, il est comme un archer, c'est-à-dire quelqu'un qui se met sur un pied piédestal pour bien, bien contempler l'univers afin de pouvoir bien, bien euh, toucher sa cible. Le philosophe, justement, c'est cela, c'est quelqu'un qui se met d'une certaine façon à l'écart tout en étant dans le monde, afin de bien le contempler, de bien l'étudier et ainsi de pouvoir bien le connaître. Donc le philosophe n'est pas intéressé aux préoccupations communes, il ne s'intéresse pas aux préoccupations ordinaires, il cherche simplement, quand il, s'y adonne, à bien étudier ces phénomènes-là afin de bien les comprendre. Ça c'est de De deux, la philosophie exige modestie. Le philosophe n'est pas cet individu-là qui vient se pavaner à l'image d'un Gorgias ou d'un Protagoras qui prétend tout savoir. On connaît la fameuse formule de Gorgias quand il disait par exemple Posez-moi toutes les questions, j'ai toutes les réponses comme euh, également euh, Gorgias quand il rencontre un jeune Hippocrate qui lui dit Jeune homme, qu'est-ce que je peux tirer de ta fréquentation et qui le répond en bombant le torse L'avantage que tu auras euh, en me fréquentant, c'est que chaque jour que tu auras passé avec moi, tu retourneras chez toi mieux que tu ne l'étais, le lendemain de même, et chaque jour tu feras un pas vers le mieux. Donc, vous voyez bien que le sophiste que l'on considère ici comme l'exemple type du non-philosophe, c'est l'individu qui, en quelque sorte, fait preuve de vanité. Le philosophe doit être humble il doit être à l'image de Socrate. Non pas qui est ignorant de son ignorance, mais qui est conscient de son ignorance. Quelqu'un qui se dit tout le temps, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Car croire qu'on sait, c'est être atteint de la pile des maladies, à savoir la prétention folle. Quand au contraire l'individu prend conscience qu'il ne sait pas, il va ainsi s'intéresser au savoir, il va ainsi s'engager à la quête de connaissances, comme le disait si bien Kant, la conscience de mon ignorance, au lieu de mettre fin à mes recherches, est la vraie cause qui les provoque. Et on le sait très bien dans le banquet, Socrate le montre très bien, puisque il, il ne cessait d'inviter les individus à faire preuve de modestie, car celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas ne philosophera point. Celui qui sait et sait qu'il sait, à savoir le Créateur absolu Dieu, ne philosophera point. Le philosophe est au contraire celui qui ne sait pas mais qui sait qu'il ne sait pas, ce qui va maintenant l'inciter à aller à la recherche de la connaissance, car on aime et on ne recherche que ce que l'on, que ce que l'on sait ne point procéder. Et Grégoire le disait si bien, savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà chercher à savoir. La troisième condition qui, à mon avis, est fondamentale, je vais rapidement synthétiser, c'est l'exigence de rationalité. Un philosophe, il doit raisonner. Il doit accepter ni les connaissances dogmatiques, ni les connaissances euh, intuitives, ni également la connaissance empirique. Il n'admet de vérité que lorsque celle-ci est basée sur la raison. Et via là un philosophe, dans l'intention philosophique, le résume très bien en disant la philosophie est science et conscience. Science, il entend euh, quête de savoir, savoir étymologiquement, conscience, il entend par là une quête de connaissance, mais une quête de connaissance qui est fondée sur la conscience, autrement dit sur la réflexion. Dernière eh, exigence philosophique mhm. euh, qu'il faudrait approfondir, mais que je vais simplement résumer, mhm. c'est l'exigence critique. On ne peut pas philosopher là où la critique elle-même n'existe pas. Mais retournons malgré tout que philosophie c'est critiquer, mais critiquer n'est pas philosophie Et là, mes élèves ont déjà la bonne réponse. Ils savent très bien la différence qu'il y a entre le philosophe et le sceptique. Le premier qui critique pour connaître et le second, lui, qui critique pour critiquer et qui, par conséquent, tombe dans le champ de ce qu'on appelle le nihilisme. Voilà, euh, euh, aujourd'hui, parlons-en aux, euh, aux, apprenants. Par exemple, en tant, que, en tant que professeur de philosophie, comment il faut pousser l'enfant à aimer et à, à la philosophie. Alors, euh, ça nous ramène un peu à, la, une de vos questions de tout à l'heure. Hein. Euh, à mon avis, pour, pour, pour l'amener à aimer la philosophie, la première exigence fondamentale, c'est d'abord démythifier la philosophie. Démythifier, c'est-à-dire enlever dans l'esprit des gens que la philosophie est d'abord une discipline difficile. La deuxième, c'est éliminer les préjugés qui accompagnent cette, cette, discipline. À mon avis, c'est le plus grand service qu'on peut rendre à la philosophie, euh, rendre aux jeunes pour pouvoir s'intéresser à cette discipline-là et, l'étudier. Et c'est pourquoi, une fois de plus, votre question de à était intéressante. Enseigner la philosophie dès la classe de seconde, en les enseignant, en enseignant la philosophie à partir des rudiments les plus élémentaires. Moi, j'aimais bien quand je faisais, par exemple, mon cours de philosophie en classe de première, quand je pose la question d'abord, qu'est-ce que la philosophie Je dis systématiquement, il est plus facile de dire ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas Elle n'est pas le mythe, elle n'est pas la religion, elle n'est pas euh, la magie. Et maintenant, je lui demande qu'est-ce que la magie Qu'est-ce que le mythe Qu'est-ce que le conte Qu'est-ce que la légende Qu'est-ce que l'Odyssée Et vous voyez bien que quand maintenant on pose ce débat-là avec ces jeunes, ils savent déjà avec le professeur de littérature, heureusement, qu'est-ce qu'une fable, qu'est-ce qu'un conte, qu'est-ce qu'une légende. Ils sont déjà dans le bain. Et maintenant, de là, tu fais la transition vers le mythe, du mythe tu passes à la religion, et de la religion, maintenant, tu en viens à la philosophie. Mais si tu veux maintenant, de but en blanc, venir leur exposer le monde sensible, le monde intelligible, la dialectique ascendante, la dialectique descendante, l'époque est transcendantale, mais l'élève s'y perd complètement. Et dès que ce contact de départ est rompu, <laughs> évidemment, euh, c'est comme la femme que vous cultivez pour la première fois et qui vous répond sèchement, je ne t'aime pas. Quoi qu'il adviendra, de l'avenir, tu vas toujours avoir un petit pincement au cœur, une petite peur qu'elle te revienne encore avec ce mot. Donc voyez bien que si le rapport affectif est faussé dès le départ avec l'élève, eh bien, ça a maintenant des répercussions à l'avenir sur l'étude de la discipline. Donc, à mon avis, il faudrait que nous, autres professeurs de notre philosophie, que nous descendions un peu de notre piédestal, que nous sachions, sachions descendre le, niveau d'étude, faire en sorte que l'élève en classe de première, on lui apprend le béaba de la philosophie, qu'il aime qu'il se sentent dans le bain, qu'ils ne sentent pas un monde, monde étranger. Et là, maintenant, progressivement, il va commencer à aimer la matière. Et en l'aimant en classe de première, eh il ne va pas traîner les pieds en classe terminale pour venir étudier la philosophie. Et une fois maintenant qu'il a l'amour de la discipline, voilà, euh, c'est clair qu'il va s'intéresser à la matière et par conséquent, il va. Mais le temps roule vite, vite, vite. On me dit qu'on a. Maintenant, aujourd'hui, euh, la responsabilité du professeur devant euh, la difficulté que les enfants ont de la philosophie. Euh, quelle est votre responsabilité en tant que professeur non, la responsabilité, elle est entière. Hein. Moi, ça, il faut quand même qu'on le reconnaisse. La responsabilité, elle est totale, elle est, entière. Euh, qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que euh, nous avons d'abord, il faut le savoir, un programme à dérouler. Faudrait-il maintenant qu'on nous dise, oui, vous avez fait ceci, vous n'avez pas fait cela, mais au moins, nous avons l'obligation d'enseigner à l'élève un programme pas d'enseignants à l'élève ce qu'on sait. Mhm. ça également, les gens, des gens s'y trompent souvent. Souvent, je discute particulièrement avec mes jeunes collègues qui parfois insistent un peu trop, à mon avis, hein, sur certains points. Je n'ai pas forcément raison, je ne les juge pas. Mais à mon avis, qui ont un peu trop cette, euh, cette tendance parfois à vouloir systématiquement exposer leur pensée On a l'impression que parfois, euh, l'élève euh, en classe, il n'apprend que Nietzsche parce que le professeur a fait sa spécialisation en Nietzsche. Mhm. L'autre, lui, il ne, vient, il ne parle que de Popper parce que le professeur ne lui parle que de Popper en classe. Mhm. Alors que ce sont des penseurs qui exposent des points de vue, mais le collègue en classe, il n'est pas tenu d'enseigner, disons, ce qu'il sait, il est tenu d'enseigner un Mhm. Et là, parfois, on se rend compte qu'il y a des élèves qui arrivent à l'examen et qui, par conséquent, n'ont pas tous les rudiments qui leur permettent, par exemple, de traiter mhm. cette thématique. Ça, c'est de, de deux. Il faudrait aussi que nous-mêmes, dans nos salles de classe, qu'on sache intéresser les élèves à ce que nous faisons. Mhm. Il faut, à mon avis, que déjà au plan de l'évaluation, au plan de la participation, eh bien qu'on en retrouve justement à la centralité de l'élève. J'espère bien qu'on aura peut-être l'occasion de revenir à Voilà, merci Souleymane, le temps vraiment roule contre nous mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à développer. Euh, je crois que les élèves ont pris bonne note et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Euh, avec lui, on va programmer la semaine prochaine euh, un autre, numéro, un autre thème. Et sachez que d'ici la fin de l'année, on sera à vos côtés et M. Fall sera disponible vraiment pour vous aider à régler vos problèmes philosophiques. Donc, l'émission tire à sa fin. Euh, le dernier mot, M. Fall euh, Vous remercier encore, euh, M. Mhm. Babadiop, monsieur, mhm. et saluer tous les élèves de, de tout du lycée Val de et de Reka, de Pilouse, d'un peu partout, mhm. et les dire encore travailler, travailler, encore travailler, il n'y a que le travail qui paye. Et avec ce travail-là, vous réussirez à votre examen. Voilà, merci. Rendez-vous est donné la, euh, semaine prochaine, dimanche prochain à 16h pour notre numéro.